Aujourd'hui, sur cette émission, Ladies and Gentlemen, nous allons donc réunir toutes les conditions qu'il faut pour parler du cinéma, mais surtout des productions de artisans à la tête jaloux. Aujourd'hui, on va parler de ces productions. On va parler de la fille du gouverneur jusqu'à Kuma. <laughs> Oh ouais, écoute, euh, Jaloud, c'est la fille du gouverneur. Jaloud, c'est le mythe de la mort. Jaloud, c'est Kumba et beaucoup d'autres amis. Euh, la fille du gouverneur. C'était en 2012. Parlons de la fille du gouverneur. La fille du gouverneur, c'était vraiment une aventure de jeunes. On était jeunes, on était fougueux, on avait euh, envie D'ouvrir aux écrans nigériens, un film nigérien qui vraiment sortait du lot. On voulait s'exprimer, communiquer, parler à une jeunesse qui se retrouvait à nous. Donc du coup, vraiment, on s'est mis tous derrière ce projet que j'ai eu l'honneur de, diriger en tant que producteur du projet et réalisateur. Donc on a fait ça avec vraiment tous les acteurs qui mes corps et âmes du début à la fin en 2012. 2013, parlons un peu de l'avant-première de la fille du gouverneur. le... l'intérieur, la salle était pleine. Parlons du palais du complet. Le 30 mars 2013. 30 mars 2013. À 19h30. 19h30. On a lancé officiellement le film. Ok. La première projection de la fille du gouverneur. Euh, on avait 1500 places assises au palais du congrès, pleines. Tous les escaliers, pleins. Tout ce qui est podium, plein. La salle était comble. Il a fallu que la sécurité ferme. Il y avait plus de personnes dehors qu'à l'intérieur de la salle. C'était une première. Ah oui, jamais vu. Franchement, mon premier déclic a commencé ce jour parce que je m'attendais pas. continuer. Ah oui, ça a répondu à la question qu'on se posait. Ok. Est-ce que le cinéma pouvait marcher au Niger Cinq ans plus tard, euh, je venais de finir mon Master 2 en réalisation de cinéma. Ok. Donc, euh, je suis revenu au Niger parce que je voulais réaliser le, mythe de la mort qui était une adaptation d'abord d'un conte que Boubou avait recueilli. Ok. Donc, je me suis basé sur cette histoire-là pour créer un film. Et c'était vraiment un film dans lequel je voulais nous représenter dans un passé sans pour autant situer le. Alors, de la fille du gouverneur, vous déjà un peu parler de nombre de vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou donner la possibilité à ceux qui n'ont pas encore regardé d'avant-prix. Comment faire Qu'est-ce qu'il faut faire pour regarder oui, La fille du gouverneur est quand même le film nigérien le plus vu sur YouTube. Voilà. Il a bientôt un million de vues. Et euh, le mythe de la mort n'est pas encore sur YouTube. Nous l'avons sur Vimeo. Voilà. Euh, mais ça fait plaisir, ça montre effectivement qu'en fait, il y a de la demande. Ça montre qu'il y a des téléspectateurs qui sont là. Il y a des passionnés, il y a des cinéphiles qui sont là. Ils ne demandent que ça, en fait. Ils ne demandent que ça. Kumba, du casting à la réalisation. On ne dévoile pas tout. Hein. Cinq ans après le mythe de la mort, ah, Kumba. Kumba, c'est l'histoire d'un amour interdit. Interdit par les hommes et non par Dieu. Mais que les hommes ont interdit au nom de Dieu. Wow. sera une identité qu'on sera fier de brandir de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud de l'Afrique.